Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu. L'émission qui vous permet de trouver des éléments de réponse aux questions que vous vous posez habituellement. Comment préserver sa santé mentale est notre thème de ce soir. Les questions de santé mentale constituent en effet un véritable problème de santé publique dans nombre de pays du monde. Cette euh, santé mentale est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Qu'est-ce qui influe sur la santé mentale Comment prévenir les troubles de santé mentale pour répondre à ces questions et à plein d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir comme euh, invité Dr euh, Habou Yahya. Il est psychiatre et coordonnateur euh, du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique. Notre deuxième invité est M. Alpha Zazi Alzuma, psychologue au pavillon E de l'hôpital national de Niamey. Bonsoir à vous donc, euh, chers invités. À la modération de ce forum, je suis Michel Déji. Sans la santé mentale, on ne peut pas parler de bonne santé globale d'une personne, même lorsqu'on a la santé physique. Les deux vont donc euh, de pair. Avant d'entrer dans le vif du sujet, docteur euh, Habou Yahya, psychiatre et coordonnateur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique. Définissez-nous la santé mentale. Merci. Mhm. Pour définir la santé mentale, c'est la définition de, l'OMS. Mhm. C'est l'absence de troubles de comportement mhm. chez un individu. C'est la capacité qu'a une personne euh, de s'adapter à, toute situation qui se présente à lui, la capacité d'adaptation. Mmh, capacité d'adaptation. Mmh. Voilà, une bonne adaptation. Face à toutes euh, les situations. Monsieur Alpha Alzuma, psychologue euh, au pavillon E de l'hôpital national de Niamey, on parle euh, aussi parfois de troubles du comportement le coordonnateur euh, du programme euh, national de santé mentale au Niger a dit à l'instant que la santé mentale, c'est l'absence euh, justement de troubles de comportement. Mais le trouble même de comportement, c'est quoi Merci et, bonjour à tous. Mhm. Alors, le comportement, il faut d'abord le définir. Le comportement, il est vaste. Mhm. Il est aussi bien le comportement sur le plan des production intellectuelle et le comportement sur le plan social, tout ça. Mhm. Donc le trouble de comportement, c'est toute forme de, déviance ou de déviation mhm. par rapport à, aux normes Le mhm. de comportement bien défini. Et c'est ça qui arrive, qui, fait que nous arrivons à apprécier pour dire que ce comportement il est normal ou il est anormal. D'accord Donc, tant que, dès qu'il devient anormal, en ce moment, on parle de trouble de comportement. Donc, à la marge de ce qui est habituellement accepté, ou tolérer, soit mhm. sur le plan communautaire mhm. ou sur le plan, en tout cas, euh, culturel. Mhm. Dès que ça dévie, on parle de troubles de comportement. Et qui édicte ces normes-là c'est les, normes euh, par rapport à l'évaluation des comportements. La, il y a la culture qui définit des normes. Chaque culture, chaque groupe social a des normes par rapport à telle chose. Voilà comment il faut le faire. Donc vous voyez, il y a, ce, <clears throat> cette, cette, détermination, ce déterminisme culturel mm. du comportement. Et euh, euh, au-delà de ça, il y a au niveau individuel, tout simplement, en tant qu'être humain, mm-hmm. en rapport avec les capacités, bien sûr. Mm-hmm. Voilà ce qu'on doit faire qui va être apprécié mm-hmm. hein, dans les normes ou pas dans les normes. Et dès que ça dévie, en ce moment, on parle de trouble. Et quels sont les principaux signes d'un trouble de santé mentale euh, la question de, la santé mentale, elle est vaste. Mhm. Et justement, c'est l'occasion peut-être euh, pour, davantage éclairer la question de santé mentale, comme le euh, docteur vient de le dire, mhm. ou comme l'homme l'a dit dans, sa définition, ce n'est pas à ce que nous pensons des fois, mhm. ou ce que nous définissons, ou ce que d'habitude, Mm. on pense être estimé comme un trouble de comportement en termes des, des agitations où, où, on voit la personne, elle est malade, elle est en situation d'errance, en train, donc euh, complètement à côté. Mm-hmm. Donc ce n'est pas seulement ça, mm-hmm. ça va au-delà. Mm-hmm. Donc le trouble de comportement, ça va au-delà de ça. Et c'est pour ça que tout Quand vous dites ça va au-delà, et ça dire qu'il y a des personnes que nous pensons être en bonne santé mentale, mais qui ne le sont pas. Absolument, mais qui mm. ont quand même quelque part des difficultés d'adaptation qu'on peut considérer de troubles de comportement. Mais toujours est-il dit que mhm. le trouble de comportement, quand ça s'installe, toujours ça dérange. Ça dérange qui Ça la dérange l'entourage, ça dérange la personne. Mhm. Parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la définition, c'est à, côté de la norme. Donc tout mhm. ce qui est à côté de la norme, quelque part, ça dérange, ça gêne. Et en ce moment, effectivement, euh, on voit <clears throat> la personne euh, n'est pas dans euh, la vie communautaire telle qu'elle doit se passer, même si elle, ne casse pas, elle ne frappe pas, elle n'insulte pas les gens, mhm. mais quand même, il y a quelque part une certaine difficulté, mhm. aussi, soit dans son, rapport à lui-même, mais également des difficultés dans son rapport à, son groupe social ou bien à la société tout simplement. Mhm. Donc les questions adaptatives. Merci à vous. Docteur euh, abou Habou Yahaya, psychiatre euh, et coordonnateur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique. Quels sont les causes de ces maladies mentales qu'on a qui arrivent à toucher certaines personnes euh, de la société. Il euh, n'y a pas une cause euh, directe sur laquelle il faut poser le doigt. Mhm. C'est multifactoriel. Mhm. Parce que il y a d'abord la prédisposition mhm. hein, à faire un trouble psychiatrique quelconque. C'est quoi cette prédisposition C'est-à-dire on est avec des dispositions euh, tendant à faire de, quelqu'un euh, un malade euh, potentiel. Mm. Il y a des personnes qui naissent avec. Il y a des personnes qui naissent avec des avec avec avec quelque chose mm-hmm. hein, qui a besoin juste d'un ajout mm-hmm. hein, pour que le trouble se manifeste. Mm-hmm. Et donc de facto, on peut, on peut, on peut pas dire voilà ce qui peut être euh, la cause d'une maladie. Mm. D'accord Donc, la cause, c'est multifactoriel. C'est d'abord la prédisposition et ensuite euh, les facteurs externes. Mm. Donc, il y a des facteurs internes à la personne auxquels s'ajoutent des facteurs externes. Mm. Donc, les facteurs externes, ça peut être euh, le trop de boulot, la drogue, ça peut être... Euh, quand on est victime de vol Quand on est victime de vol, oui, ça peut être euh, un facteur, un facteur mm. déclenchant. C'est cela, donc, euh, le facteur externe. Donc, quelque chose s'ajoute à, la prédisposition, on peut, on peut devenir malade. Dans certains pays où il y a eu beaucoup de confinement, ça a augmenté le stress. Le, confinement, c'est mm. un facteur externe. Mm-hmm. Donc, ça augmente le stress, ça augmente le stress. Donc, quand le mhm. stress est augmenté et qu'on est prédisposé à faire la maladie mentale, alors mhm. là, on, rentre dans la maladie mentale. Vous parlez de facteurs internes. On voit dans certaines sociétés ou certaines familles où il y a une personne qui est là malade, née comme ça, où on considère que bon, euh, cette personne doit rester euh, comme telle. Comment expliquez-vous euh, ces ce, genre de situation Ce genre de situation, comment l'expliquer Bon, on, peut euh, l'expliquer par le, le caractère génétique. Mhm. Le caractère génétique, euh, euh, ça veut dire que dans le gène de la personne, il y a quand même quelque chose qui est inné à la personne, mhm. donc qui qui, qui, fait la prédisposition. Donc, euh, une personne comme ça euh, a besoin euh, d'orientation pour la prise en charge. Mhm. Donc on ne doit pas regarder la personne parce qu'on on, suppose qu'elle est née comme ça, pensant que... Il y en a qui considèrent que c'est peut-être une possession de génie, quelque chose comme ça. Bon, possession de génie, ça c'est l'explication culturelle. C'est l'explication culturelle des, maladies. Donc, en fonction, en fonction de là où on se trouve, on explique euh, la, maladie mentale par la possession, par euh, euh, le génie, par ceci ou par cela. Mhm. Mais ce n'est pas fondamentalement vrai que c'est. Parce que le génie, c'est ici, c'est notre culture où on parle de génie. Ailleurs, on ne parlera pas de génie. En Occident, on, n'en en parle moins. Ah, on n'en parlera même pas. Mhm. Ah, jadis, ils en parlaient, mais maintenant, ils ne parlent pas de génie. Mhm. ils, parlent d'autres, d'autres, d'autres causes. Mhm. ils parlent euh, d'autres aspects que euh, le génie ou, euh, le maraboutage. donc, c'est cela. Ça veut dire, scientifiquement, ce n'est pas prouvé qu'il peut y avoir d'envoûtement, par exemple euh. Non, scientifiquement euh, parlant, il n'est pas prouvé qu'il peut y avoir d'envoûtement. Mhm. Il, il n'est pas prouvé qu'il peut y avoir d'envoûtement. L'envoûtement, c'est une explication culturelle. Ça dépend des cultures où, le mécanisme d'envoûtement euh, prévaut. donc là, on peut expliquer ça par, par ces mécanismes. Mhm. Mais dans des sociétés où ça ne prévaut pas, donc ils n'en parleront pas. Mhm. Ils n'en parleront pas, ils parleront d'autres choses. Mhm. Mais en tant qu'acteur de la santé mentale, est-ce qu'il vous arrive euh, de détecter des cas comme ça où on dit un tel, il a abusé de la confiance de quelqu'un, un lui est arrivé Oui, en tant qu'acteur de la santé mentale, on, voit des gens venir vers nous quand on leur demande euh, à eux ou à leur famille qu'est-ce qui serait, après eux, la cause, qu'on nous projette des causes Mm-hmm. Ah, il aurait, il aurait eh, transgressé eh, un tabou, il aurait transgressé ceci ou cela. Euh, oui, on, nous projette, on, nous donne des, arguments comme ça. Mm-hmm. Mais nous, on, écoute, on prend en compte, hein, mais ça ne veut pas dire pour nous que c'est seulement ça. Mm-hmm. Merci, mon colonel. Habou Yahya, psychiatre euh, et coordinateur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique. Monsieur Alfazazi Alzuma, vous êtes euh, psychologue euh, au pavillon E de l'hôpital national de Niamey. Il y a justement dans la société certains qui arrivent à trouver des causes culturelles à ces maladies mentales. Quelle analyse en faites-vous à votre niveau Merci. L'analyse que nous avons faisons effectivement. La première des choses, c'est d'en tenir compte, comme l'a dit le colonel. Mhm. Nous en tenons compte dans la prise Parce que l'être, l'individu, il naît, et grandit dans une culture. Mhm. Avec tout ce qu'il y a comme système de croyances qui font sa personnalité, qui mhm. participent à la construction de sa personnalité. Et effectivement, tout ce qui va arriver à l'individu, il arrivera à se référer à ses croyances, à ses systèmes de croyances-là pour en trouver une explication. Et c'est aussi euh, un phénomène qui permet aux, individus faisant partie d'une culture de pouvoir à, être stable, mhm. de tenir et de vivre dans cette culture-là. Mhm. Et, c'est pour ça que quand euh, au cours des évaluations de la prise en charge, bien sûr, ces questions culturelles-là se posent, nous en tenons compte. Mhm. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la prise en charge des cas de problèmes de santé mentale à a beaucoup évolué mhm. en tenant compte justement, en intégrant cet aspect culturel de la prise en charge. Mhm. Et ça, c'est euh, valable en Afrique, ça a toujours été un combat en Afrique, euh, de la prise en charge, l'aspect culturel de la, de la, des problèmes de mhm. santé mentale. Aujourd'hui, en Europe aussi, ça a commencé à prendre le chemin véritablement. Pourquoi avec le brassage culturel, tout ça, et eh bien, les acteurs de la santé mentale dans ces pays ont commencé à se à se confronter effectivement à des difficultés selon les cultures de provenance mhm. des patients qui le reçoivent. Mais si vous admettez qu'il y a donc des causes culturelles à ces problèmes de santé, mhm. est-ce que vous arrivez à proposer des remèdes culturels Le phénomène, par exemple, de génie Thatcher, comment vous l'expliquez et euh, quelles solutions préconisez-vous dans le traitement euh, des personnes euh, affectées alors, je, reviens encore, hein. ce n'est pas pour dire que nous, nous, nous, disons que c'est vrai. Mm-hmm. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand la personne expose ça, il faut que toi, tu prends en charge, que que tu, que, tu acceptes que c'est sa croyance. C'est ça que je mm-hmm. suis en train de dire. Vous acceptez que c'est la croyance. Voilà, on accepte que c'est leur croyance. D'accord Et nous-mêmes, nous sommes issus de, cette culture-là aussi. Et voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Mais l'intervention que nous, nous allons faire, c'est une intervention, bien sûr, basé sur, la, euh, sur les théories scientifiques, mhm. sans intégrer véritablement la culture, mais il faut en tenir compte. Mhm. Parce que lorsque quelqu'un aborde euh, des croyances culturelles et que tu, essaies d'engager un débat contradictoire par rapport à ça, vous ne pouvez pas faire une prise en charge. Mhm. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, nous l'intégrons en disant oui, c'est sa croyance, et effectivement, il va avoir, il va falloir faire quelque chose dans ce sens aussi pour le rassurer par rapport à sa culture, parce que c'est quelque chose de très très fort. Mhm. La croyance, elle est très très forte. Mhm. Elle fait partie de la personnalité. Donc, on ne peut pas le balayer, la balayer des revers de la main et puis dire qu'on va avancer. Ce n'est pas possible. il mhm. donc, on en tient compte et on l'intègre. Je dis bien, on l'intègre. Mais euh, la base des interventions, c'est justement euh, ces références théoriques-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas des, situations de génie a coeur les, les génies nous les, nous les recevons, nous avons une explication scientifique de ça. Ah oui, il y a l'explication scientifique de ça, mhm. il y a également l'explication culturelle de ça. Quelle est l'explication scientifique euh, L'explication scientifique, ça, ça un peu la théorie que le colonel a développée tout à l'heure pour dire que dans l'école, les filles tombent, mais ce n'est pas toutes les filles qui tombent. Mhm. Si celle-là tombe, ça veut dire qu'il y a quelque chose mhm. hein, au niveau de la personnalité. Surtout les, personnes qui sont très suggestibles, par exemple. La suggestibilité, c'est facilement, ils peuvent emprunter le symptôme que, il y en a dès que, quelqu'un lance un cri euh, voilà il y a des personnes sensibles à ça qui peuvent facilement tomber quand il y a euh, certains cris mais pourquoi les hommes ne tombent pas et ah, souvent bien sûr bien sûr vous savez le phénomène du, génie qui a, euh, scientifiquement enfin une, des explications ça dépend du, mhm. du bord auquel on s'appuie pour l'expliquer c'est un problème qu'on peut expliquer uniquement enfin c'est selon ce que euh, la ligne que moi j'utilise, je voudrais dire, euh, mhm. parce que d'autres personnes qui ne vont pas dans le même sens vont voir que ce n'est pas ça. Quoi. Mhm. Bon, bref, mais c'est une problématique sexuelle qui est là, mhm. par exemple. Et c'est ça les hystéries et autres. Il y a une explication beaucoup plus sexuelle. Quand on dit sexuelle, pas la sexualité telle que le commun le comprend, il y a une explication scientifique du phénomène de la sexualité qui peut être euh, définie et comprise comme une sorte d'énergie, ce qu'on appelle une énergie psychique, qui permet à l'individu de, de, travailler, de faire tout ce que nous sommes en train de faire là. Non mhm. pas la sexualité dans le sens mhm. ordinaire. Donc voilà. Parce qu'il y a cette problématique là justement, des adolescentes qui évoluent dans une culture à très forte répression par exemple de la sexualité, telle que les cultures musulmanes. Mhm. C'est normal euh, qu'il y ait ces genre de phénomènes là. Et le fait qu'on a dit génie ce n'est pas gratuit. On sait ce que c'est que Kiakio au Niger. N'est-ce pas C'est une connotation vous êtes d'accord avec moi mhm. Quand les jeunes disent je vais aller caquer chez une fille. Voilà, donc le génie, c'est comme un garçon qui vient caquer la fille. Mhm. Voilà un peu le, mécanisme que ça se passe. C'est pour ça que nous, nous l'expliquons sur, sur, cet angle-là. Mhm. Mais véritablement, que je, je l'ai dit tout à l'heure ici, c'est pas toutes les filles de l'école qui tombent, c'est quelques-unes qui tombent. Si quelques-unes tombent, d'autres ne tombent pas, alors qu'est-ce qui se passe Et on va pour essayer de fouiller la personnalité, pour essayer de fouiller euh, le milieu dans lequel ces filles-là ont, évolué, pour essayer de voir comment est-ce que la gestion de ces questions d'adolescence, avec tout ce que cela comporte en train de se passer, pour essayer de, de, cadrer les choses. Et ça marche. Hum. Ça marche. C'est des, personnes qui, quand elles viennent, n'ont pas besoin des fois même d'avaler un seul comprimé ou bien des choses. Et puis, vous discutez juste avec, euh, les Africains, de, la psychothérapie, tout simplement, ça marche et ils n'en feront plus. Ça, c'est un premier niveau. Un, deuxième niveau, c'est que si vous remarquez le, phénomène du génie catcher, ça vient seulement en situation pendant euh, euh, l'année scolaire. Mhm. Quand les vacances viennent, le génie s'en va chez lui. Vous voyez un peu. Donc, tout ça là euh, nous permet de, faire des références aux, explications. Mhm référence théorique et également agir pour que, pour que ces, ces, là le font cette année, peut-être l'année prochaine, ils n'en feront plus. Mhm. Ou ils le font, une, une crise, deux crises, après ça s'arrête. Voilà comment est-ce que nous faisons. Et justement, la santé mentale, les acteurs de la santé mentale au Niger sont impliqués de plus en plus dans la gestion de ce phénomène-là. Mhm. Et à côté des intervenants culturels, culturels aussi. Mhm. Voilà. Vous avez parlé également d'explications culturelles oui, l'explication culturelle, ça, n'est pas mon domaine, je ne le maîtrise pas. Les mhm. explications culturelles, c'est les victimes qui, et leurs familles qui ont ça. Mhm. Moi, je ne connais pas d'explication culturelle véritablement par rapport à mhm. ça. Mais ils ont leur explication, que des fois, ils il, il, il, rapportent. Et et ces explications, c'est quoi, par exemple euh, Il y a certaines familles qui disent, bon, c'est une fille, elle n'aime pas trop se, couvrir, par exemple. Oui, on fait référence à ça. Le fait elle ne se couvre pas, elle, s'expose, elle expose le corps. Et facilement, un génie peut rentrer. Mhm. Ça, c'est même une première explication. Deuxième explication que les familles rapportent des fois, on dit Ah, c'est que le site même de l'école est déjà une propriété d'un génie. Des trucs comme ça aussi, on a, on a eu à, entendre. Mhm. Et que, qui fait en sorte que, comme si c'est une sorte de conflit qui, qui naît entre les occupants de ce terrain et le génie qui était euh, perçu comme étant le légitime propriétaire. Voilà quelques explications des fois que les familles donnent, pour expliquer euh, ces situations de crise chez leurs filles. Mhm. Mais scientifiquement, vous trouvez que ce n'est pas fondé, c'est bien cela Scientifiquement, oui. Mhm. C'est Ce n'est pas une explication scientifique, mais culturellement, c'est fondé parce que les gens s'y retrouvent. Mhm. C'est extrêmement important. Et ça les équilibre aussi. Parce que c'est ça la force de la culture ça crée cet, cet état d'équilibre social-là. C'est extrêmement important, le système de croyance. Mm-hmm. Docteur Habou Yahaya, psychiatre et coordonnateur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique, il a expliqué que, bon, dans les explications culturelles, on dit qu'une école peut être euh, une possession d'un génie, des faits mm-hmm. comme ça. Est-ce que vous trouvez cela fondé dans la pratique euh, de ce que vous mm-hmm. La question, c'est le domaine explicatif. Donc, les gens euh, vont donner des explications culturelles en fonction de, leur croyance. de, mm. À prendre ou à, à, ne pas prendre, mm. telle n'est pas la question. Donc c'est de faire avec la culture des gens. Mais euh, tout, tout en ayant euh, dans un coin l'explication scientifique mm-hmm. des choses. Parce que j'ai Thatcher, euh, explication scientifique, c'est une maladie qui, qui, qui, qui, rentre dans le cadre de ce que nous appelons névrose, mhm. névrose partagée. Donc c'est une maladie euh, partagée mhm. par des jeunes filles. Et ce n'est pas toutes les filles, comme il a dit, c'est des, des, filles suggestibles. Mhm. Enfin, c'est... Euh, ne, ne, tombe que euh, celui qui est suggestible. Donc c'est de la suggestion. D'accord Donc euh, c'est comme ça que ça peut s'expliquer. Mais culturellement, euh, les gens peuvent donner des raisons culturelles au phénomène. Mm-hmm. Comme l'a, la, la, comme dit Alpha, ça peut être euh, du domaine de, de, l'habillement, que la, fille ne s'habille pas, donc son corps est dévoilé donc pénétrable facilement par un génie. Ça peut être euh, le terrain qui est, déjà euh, propriété euh, d'un génie. Mais bon, toujours est-il que c'est une maladie névrotique mhm. et les névroses, ça, ça pose un degré de suggestion. Mhm. Donc, il faut avoir un caractère euh, suggestif euh, pour pouvoir euh, développer la maladie. Mais techniquement, techniquement, le fait que c'est une maladie qui ne, qui, ne, qui ne touche que les filles, on ne on, on sait, pas, on sait pas techniquement pourquoi il euh, n'y a que les filles que ça attaque mhm. et il n'y a pas d'hommes. Mais est-ce que vous arrivez à poser l'hypothèse même de l'existence des génies dans la pratique euh, de la santé mentale Non. On prend en compte l'hypothèse des génies. Mhm. Les familles nous expliquent euh, la maladie comme un génie, comme l'attaque d'un génie. On, le prend pour avancer. Mhm. D'accord On le prend pour avancer, on fait avec. Mhm. Mais euh, nous, fondamentalement, on n'est pas dans, sur, ce même champ, mhm. euh, sur le même champ mhm. d'études. On, ne voit pas ça comme ça. On n'explique pas ça comme ça. On sait qu'il il euh, y a un problème quelconque qui explique ça, hein, autre que le génie même si c'est le génie du fait que euh, des médicaments euh, peuvent <laughs> agir euh, en éloignant le, génie, on, considère, ça comme, bon, mhm. comme une hypothèse qui, qui tient. Voilà. Merci, docteur. On a également parlé de la toxicomanie. Comment la consommation des drogues agir sur la santé mentale, euh, docteur Là, on est sur le domaine euh, euh, chimique de, la structure mm. du système nerveux. Et le système nerveux est composé de neurones. Mm-hmm. Donc, tout se passe au niveau des neurones par l'intermédiaire de, neurotransmetteurs. Mm-hmm. Donc, les drogues agissent au niveau des neuromédiateurs Hein, pour perturber la relation euh, qu'il y a, euh, la, symbiose qu'il y a entre euh, les neuromédiateurs. Mhm. D'accord Parce que tout ce que l'individu doit faire passe par les neuromédiateurs qui transmettent le, message au niveau du site où doit se produire quelque chose. Donc, les drogues agissent à ce niveau. Mhm. Et en agissant à ce niveau, euh, elle perturbe les relations qu'il y a entre les neuromédiateurs et, les sites où les messages doivent aller. Mm-hmm. Voilà, donc comme c'est, comme, c'est comme ça que euh, je vois les choses. Mm-hmm. Donc, les, drogues euh, sont des substances qui interviennent au niveau du cerveau, au niveau médiateur, au, niveau de de la médiation. Euh, et donc, on complique la situation et c'est cela. Merci beaucoup. Voyons à présent, dans cette euh, deuxième et dernière partie de ce forum, les bonnes euh, pratiques pour préserver sa santé mentale. L'édition 2021 de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a proposé à cette occasion, le thème Faisons des soins de santé mentale pour tous une réalité. Selon le ministère de la Santé publique, le Niger compte près d'un agent de santé mentale pour un million de personnes, alors que la moyenne mondiale est de 13 agents de santé mentale pour 100 000 personnes. Monsieur Alpha Zazi, psychologue euh, à l'hôpital euh, national euh, de Niamey, d'abord, qu'est-ce qui explique ce manque d'experts dispenser des soins spécialisés aux personnes atteintes de troubles mentaux au Niger. Merci. je commençais peut-être à dire que ce n'est pas un manque qu'il y a en tant que tel, mhm. mais c'est euh, une, mauvaise prise en compte des acteurs de la santé mentale. Il y a des acteurs qui ne sont pas bien sûr, Parce que ces chiffres, nous les avons du ministère, c'était des chiffres qui avaient été évoqués le jour de la journée mondiale. Mhm. Bien sûr si je dis ça, je sais euh, ce que je suis en train de dire, mhm. parce que nous intervenons, notre service intervient dans la formation des acteurs de la santé mentale également. Mhm. Parce que la, la, prise en de la santé mentale, c'est pas seulement de psychiatre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des critères euh, de l'OMS dans le cadre justement de la prise en compte euh, des acteurs qui interviennent dans le domaine de la santé mentale Oui, les acteurs sont les mêmes partout. L'OMS l'a euh, dit, c'est les psychiatres, c'est les psychologues, c'est tous les personnels sociaux, etc. Mm. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc le Niger en dispose, qui sont formés, qui ont leur diplôme, mais c'est une catégorie d'agents ou, de, de, spécialités qui n'est pas véritablement intégrée dans, euh, justement, euh, dans les concours de recrutement et autres. C'est mm. pour ça qu'il manque sur le terrain. Mm. Mais sinon, Dieu merci, en tout cas, on en a suffisamment formé. L'université forme des psychologues, euh, l'université forme des techniciens supérieurs en santé mentale. Et les, médecins psychiatres sont en train de se former aussi à travers euh, les autres universités. Donc, vraiment, les acteurs sont là. Mhm. Mais c'est la politique d'intégration de ces acteurs, justement. Euh, c'est à ce niveau que le problème se pose. Merci beaucoup. Voilà. Docteur Habou psychiatre et coordinateur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique. On l'a dit, on le rappelle près d'un agent de santé mentale pour un million de personnes au Niger, alors que la moyenne mondiale est de 13 agents de santé mentale pour 100 000 personnes. Quelle explication donnez-vous à ces chiffres Quelle explication donnez-vous à ces chiffres Ces chiffres est, est, réel. Mm-hmm. Du point de vue euh, chiffré, il est mm-hmm. réel, mm-hmm. parce que euh, le ministère de la Santé a un certain nombre d'agents. Euh, dédiés à la santé, mentale. Mhm. Mais euh, le problème est qu'il y, y, a, trop d'agents formés qui n'ont pas pu être euh, qui n'ont pas pu être euh, intégrés, au niveau du ministère parce que quand le ministère fait ce concours, le ministère a des priorités. Mhm. Et la santé mentale n'est pas dans ses critères. Mhm. Donc il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent dans le recrutement. Donc la santé mentale ne faisant pas partie de ces critères, donc le, ministère ne, recrute pas. Mhm. Mais Dieu merci, eh, il n'y a, pas que le ministère de la Santé, il y a, plein d'ONG qui, qui, recrutent et qui mettent ces agents euh, ces agents dans les hôpitaux, dans, dans des structures mhm. nationales qui travaillent euh, comme cadre. Et, puis, c'est le côté médical qui est beaucoup plus pauvre. Je, vous parle en termes de, de, chiffres. Il n'y a qu'aujourd'hui, présentement, quand je vous parle, on ne parle que de trois médecins psychiatres pour l'ensemble du, pays. Mhm. Et les trois médecins psychiatres sont tous en Niamey. Mhm. Donc, à l'intérieur du pays, si, vous cherchez un médecin psychiatre, vous n'en trouverez pas. Mhm. D'accord C'est lié au fait que non seulement au Niger, on, ne forme pas. Donc, euh, pour former un psychiatre, il faut euh, ailleurs qu'au Niger. Mais euh, que ce n'est pas aussi une spécialité prisée par les jeunes médecins. Mhm. Parce que les jeunes médecins, quand ils sortent, ils ont besoin de savoir quand ils vont finir. Euh, est-ce que euh, l'État aura besoin d'eux ou est-ce que, est-ce que, mhm. d'accord. Donc, euh, la psychiatrie étant un domaine où on ne travaille qu'avec des cas qui relèvent du social. Mhm ce n'est pas trop euh, prisé par les jeunes médecins. Ce n'est pas envié. Ce n'est pas envié, mhm. parce que euh, quand tu fais la, la psychiatrie... Euh, on n'est pas avec les bien portants, on n'est pas avec les, bien portants, on n'est pas avec les nantis, <laughs> s'il faut le dire comme ça. Donc, on, restera pauvre. Mhm. Hmm? Et aussi, le fait que la société voit en quelqu'un qui fait de la psychiatrie, quelqu'un qui sera euh, euh, malade de demain. <laughs> Fait en sorte que ce n'est pas une spécialité qui, attire les, euh, les gens. Parce que là, là le, ministère de la Santé, il ne recrute pas, puisqu'il y, a le niveau infirmier, il y a le niveau psychologue, il ne recrute pas, mais il donne la possibilité aux infirmiers qui sont sur le terrain, mhm. par les moyens de concours, de pouvoir se spécialiser dans ça. Mhm. Mais euh, quand, je me rends compte que chaque année, par exemple, l'État donne 10 places pour les infirmiers à, spécialisés se spécialiser, mais qu'au bout de compte, il n'y a que deux infirmiers qui postulent. Mhm. Donc, les gens ne sont pas intéressés. Les gens ne sont pas intéressés. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, docteur Habou Yahaya. Monsieur Al Al-Zouma, les gens ne sont pas intéressés. Est-ce votre point de vue Comment faire pour rehausser ce nombre et arriver à atteindre le ratio souhaité par l'OMS Bien sûr euh, que les gens ne sont pas intéressés et c'est ça justement euh, qui fait, qui nous donne ces chiffres-là sur le terrain aussi. C'est vraiment un des éléments explicatifs de la rareté de l'acteur de, santé mentale euh, à, l'échelle de la population. Mhm. Alors, euh, je pense que euh, la lutte continue, comme on dit, nous qui sommes déjà dedans. Mhm. Et l'État qui, fait ces efforts-là de, de, donner des places, d'accorder des places ou des possibilités à ceux qui souhaitent mhm. se spécialiser, et eh bien on va continuer le travail de sensibilisation à l'échelle euh, de la population. Je rappelle justement que vous êtes d'ailleurs membre de l'association nigérienne de santé mentale à ce niveau. D'ailleurs, euh, que faites-vous concrètement pour que la question de la santé mentale euh, soit prise en compte par les autorités et que tout le monde puisse avoir accès à ces soins de santé mentale Merci de m'avoir donné cette occasion effectivement de, de, parler de, de cette association-là. Et mhm. c'est une association euh, qu'on a mis en place depuis quelques années déjà, mhm. qui aujourd'hui petit à petit commence à être euh, très très active sur le terrain. Mhm. Très active sur le terrain en ce sens que euh, tous les acteurs, hein, que ce soit le ministère de la Santé à travers le programme national de santé mentale, les ONG qui interviennent dans le domaine de la, de la santé mentale, qui aujourd'hui une véritable urgence au Niger et dans le Sahel en, général. Nous travaillons avec tous ces acteurs-là. Donc petit à petit, l'association l'association commence à, vraiment être sur le terrain. Et ce que nous faisons, c'est euh, être aux côtés de ces acteurs de premier plan, public euh, ou, ou, les, ONG, mhm. et également intervenir à chaque fois que l'occasion nous est offerte pour pouvoir faire de la sensibilisation mhm la sensibilisation et également la sensibilisation que ce soit en population générale, mais aussi au, au niveau des acteurs de, de santé mentale euh, mm. déjà en exercice, pour que justement la question de la santé mentale soit véritablement prise en compte comme tout problème de, de santé. Mm. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en quelque sorte. Mm. Hein, d'intégrer cette question de santé mentale-là dans les soins généraux de santé, tout simplement. Parce que même dans la définition de la santé, ça a été bien dit. La, la maladie, ce n'est pas seulement l'absence euh, euh, de troubles ou choses euh, sur le plan physique, mais aussi ces questions de santé mentale également. Donc voilà, et aujourd'hui, cette association-là, j'ai dit, euh, est en train de faire du, bon chemin. Nous avons eu à organiser déjà un, premier congrès mhm. international qui est une instance où, qui donne l'occasion hein, aux praticiens, aux acteurs de la santé mentale, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour venir au Niger pendant deux, trois jours. Euh, pour pouvoir échanger sur les questions de santé mentale. Mm. Et bientôt, nous serons à notre deuxième édition du congrès euh, pour le mois de février, justement, toujours dans, le processus euh, de, faire de la santé mentale ou la prise en compte de la santé mentale une réalité. Mm. Et cette année, le thème de, ce congrès est la santé mentale et soutien psychologique en situation de crise. Mm-hmm. Ça veut vous plaidez toujours pour le renforcement ou l'amélioration des soins de santé sur l'ensemble du pays. On vous a bien compris. Docteur Abou Yahya, psychiatre et coordinateur du programme national de santé mentale euh, au ministère de la Santé publique. Que faire pour améliorer sa santé mentale Comment faire pour être toujours en bonne santé mentale Pour être en bonne santé mentale, il faut être à l'écoute de son corps, s'éloigner de certains aspects de la vie courante qui font que le psychique tombe en dessitude. Mhm. par exemple euh, s'éloigner de la drogue. Il y en a qui parlent des jeux de hasard, par exemple. Le jeu de hasard, c'est déjà euh, un trouble addictif. Mhm. Parce que c'est pas tout le monde qui est dans ça. Donc ceux qui sont dans le jeu de hasard euh, sont aussi des sujets à problème. Donc mhm. Donc c'est pas tout le monde qui est dans ça. Et c'est d'être à l'écoute de son corps. Et dès qu'on on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de fréquenter euh, le service euh, médical. Mhm. Hein. Il faut donc aller se faire consulter. Il faut, se faire consulter. Faut-il aller se faire consulter, docteur Il faut aller se faire consulter dès que on sent que ça ne va pas. Mhm. Euh, dans, la réflexion. Dans la réflexion, dans, le comportement de tous les jours. Mhm. D'accord Si je ne dors pas bien, ça, ça veut dire que j'ai un problème de santé mentale. Il faut que je consulte pour voir pourquoi je ne dors pas. Mais les consultations de santé mentale sont-elles gratuites au Niger Il n'y a aucune consultation qui est gratuite. Même si on part aujourd'hui, on est ici à Niamey, vous, venez à l'hôpital, pour consulter en, psychiatrie, il faut passer par euh, l'aiguillage. Mhm. il, faut, il faut payer les frais de, consultation. Aucune, aucune consultation n'est gratuite. Mhm. À moins qu'on ait une prise en charge. Ah, oh non, même si on a une prise en charge, c'est mhm. payé par quelqu'un. bien sûr. Oui. Donc, euh, ce n'est pas gratuit et qui prend en charge les frais médicaux des personnes atteintes de troubles mentaux au Niger qui n'ont pas de moyens. Là, c'est le véritable problème. Dans les services, il arrive qu'on nous amène des, malades, donc des cas sociaux, mhm. comme on les appelle. Donc les cas sociaux sont censés être pris en charge par euh, le service social. Mhm. Bon, mais le service social, aujourd'hui, n'est que de nom. On a, on a un service social au niveau de l'hôpital, au niveau du service de psychiatrie, mais qui n'a pas les moyens de sa politique. Mhm. Donc, quand on a des choses comme ça, l'hôpital, si, je parle de l'hôpital, c'est parce que c'est là où on, travaille, mhm. fait de son mieux, et, il achète des médicaments pour traiter les cas, mais aussi le service utilise d'autres structures ou d'autres personnes pour l'aider à gérer des choses comme ça. Il y a donc des difficultés à prendre en charge les personnes qui n'ont pas de revenus, les cas sociaux. Les cas sociaux, il y, a des difficultés à les mhm. prendre en charge. C'est bien compris. Et comment se fait le traitement des troubles mentaux Le traitement des troubles mentaux, il y a le médical, les médicaments, il y a la psychologie, mhm. d'accord Donc c'est un, un tout. Donc euh, un malade mental qui vient il est d'abord pris, euh, vu du point de vue euh, médical. Mhm. Il y a des médicaments qui sont mis euh, en premier. Mhm. Et quand ça va, le malade est orienté vers les psychologues qui vont continuer à, le suivre. Après le travail des psychiatres. Après le travail des psychiatres vient le travail des psychologues. Des psychologues qui font le suivi. Donc. Qui font le suivi, mhm. d'accord Qui font le suivi en fonction de l'aspect culturel socioculturel. Il y, a ça qui, qui, qui, est en, exergue. Donc il y a le médical et il y a le psychologue. Mhm. Merci, on vous a bien compris. Monsieur Alpha Zazia Alzuma, psychologue au pavillon E de l'hôpital national de Niamey. Pour terminer, quelle peut être la contribution de la population dans le cadre de l'amélioration de la santé mentale au Niger Elle peut c'est de continuer ce qu'elle est déjà en train de faire. Mhm c'est-à-dire d'être au, aux côtés des membres de famille qui tombent malades. C'est mhm. extrêmement important de, ne pas les abandonner, mhm. de les soutenir mhm. et d'intégrer, de mettre euh, la maladie mentale ou le trouble euh, de comportement comme étant euh, toute maladie. C'est extrêmement important. Et deuxième, deuxième, deuxième élément, c'est tout ce que la population va faire comme euh, comportement préventif. Mhm. Et c'est extrêmement important. Donc, ce que euh, la lutte vient contre de dire, la consommation de la drogue, par d'abord, au même titre que l'individu s'écoute, il faut que la société aussi s'écoute. Mhm. C'est extrêmement important parce que il a dit dans, à un moment donné qu'il y a des facteurs externes Mhm. qui peuvent être euh, la à la base des troubles de comportement. Mhm. Et ces, facteurs externes-là, ce sont les facteurs sociaux, donc qui viennent de la population. société Il faut que la population s'écoute pour dire qu'il y a certaines choses qui se passent au niveau de la population qui sont susceptibles euh, d'engendrer des mhm. troubles. Merci beaucoup. Nous allons terminer, docteur Abou Yahaya, coordinateur coordonnateur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique. Quelles sont les perspectives du programme national de santé mentale dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge de la santé mentale au Niger oh, Les perspectives euh, du programme, c'est d'amener euh, les acteurs de santé mentale à tous les niveaux. Et c'est dans ce sens qu'on euh, multiplie les formations. Mm-hmm. Hein. donc, pour pallier au gap des spécialistes, mm-hmm. on forme tout azimut euh, les autres personnes euh, dans la prise en charge de, troubles psychiatriques et, neurologiques. Mhm. Donc on fait la formation MHGAP. MHGAP, c'est un manuel euh, qui a été édité par l'OMS, mhm. qui, qui est succinct, mais qui permet aux agents sur le terrain, n'ayant pas été spécialistes, de pouvoir prendre en charge certaines, certaines maladies psychiatriques. Les autres volets, docteur les autres volets, il y a aussi les, médicaments. Mhm. Donc on, est en, train de chercher euh, à, placer les médicaments partout où il le faut. Mhm. Euh, donc quand on, quand forme les, personnels infirmiers et médecins, euh, on, les forme, en même temps on place les médicaments. donc je pense que c'est comme ça qu'on peut amener euh, la santé mentale partout au Niger. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kelangu qui a eu pour thème comment préserver sa santé mentale. Vous avez suivi la définition des spécialistes par rapport à la question de la santé mentale, c'est lorsque nous avons une absence de troubles de comportement. En ce qui concerne les causes de ces maladies mentales, nous en avons plusieurs facteurs, des facteurs euh, culturels, mais également des facteurs euh, scientifiques. Ce sont surtout ces facteurs scientifiques euh, qui intéressent les spécialistes et c'est par rapport à ces facteurs que nous avons des remèdes qui sont proposés par ces mêmes spécialistes qui travaillent avec les personnes affectées. Ils conseillent donc, nos invités conseillent euh, à ce que à chaque fois que nous avons donc euh, des difficultés, nous faire consulter et avoir donc les solutions appropriées à nos problèmes de santé mentale. Nous étions en compagnie de Dr Yahaya, il est psychiatre et coordonnateur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique. Notre deuxième invité est M. Alpha Zazi Alzuma, il est psychologue au niveau du pavillon E de l'hôpital national de Niamey. Merci d'avoir répondu à l'invitation du studio Kalangou, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir euh, suivis. Au micro, c'était Michel Degé pour euh, la présentation de ce forum. À la technique euh, Amina Hassan, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.